c'est une manifestation qui a été reçue. et on félicite aussi tout le monde Nous avons nañ combat bi musulmans Nous am leader politique Nous marche pour manifester suñu mécontentement ci euh, on nous disons non non à la hausse de l'électricité retourner ils vont le libérer le plus rapidement possible leader politique leader politique c'est un combat bien c'est un combat national Solo leader politique c'est pour tout un chacun pour Sénégal ñëpp le nous ñu ñu marche à 100%. C'est combat en tout cas nous tant que Macky Sall tant que nous nous nous kanam rek nous mouvement

vai. Vai, vai,